L'objectif de la rencontre est euh, triple. Le premier, c'est de rendre compte donc, des efforts que la coalition Beno Bokoyakar de la commune de Grand a déployés pour consolider une dynamique unitaire et présenter un comité électoral pour permettre au président de la République de consolider sa base pour qu'au soir du 24 février, on ait une élection éclatante au premier tour. Le deuxième objectif, c'était donc de rendre compte à la communauté de, de Grand Yoff, à toute la PR et à tous les partis donc, de Benobok à travers le Sénégal pour leur dire que Grand Yoff est dans une œuvre unitaire et a présenté un bureau électoral consensuel qui va prendre en charge la campagne électorale pendant donc, les, présidentielles. Le troisième objectif, c'était donc euh, avec vous, euh, les médias, de montrer donc euh, les réalisations et la manière dont les choses sont passées notamment dans le cadre euh, de, l'alliance avec les autres partis de Benobok Yakar qui sont là, qui sont au nombre de 48, qui ont déposé leur parrainage au niveau du pôle parrainage de la commune euh, de benobok Yakar la commune de Grand et donc montrer à la face du monde que ce sont ces gens-là, ce sont ces organisations, ce sont ces mouvements qui vont travailler pour la réaction du président de la République au soir du 24 février, à la pression de M. Adam qui est responsable politique APR euh, à euh, Hariala, c'est la base, mais qui est responsable politique donc, au niveau de Grand Yoff. Et nous avons pourvu tous les postes du bureau. Donc on a une nomenclature qui a été donnée donc, par euh, donc, la coalition qui a été amendée au niveau de Grand pour tenir compte de ces, réalités. Et donc tous les postes ont été pourvus et nous voulions dire à la face du monde aujourd'hui, ici et maintenant, que donc, M. Adam Faye est le coordinateur de la coalition Benno Bok Yakar

waaye curriculum gune gu yaru la du xuloo du xeex du xaste lu baax rek lay def ci commune Grand Yoff donc ku mel noonu nag su fekkee lii dañ koy taxawal dañu bëgg a wax public bi ne kii amul ma samb amul ma Demba la commune de Grand Yoff ñoo jël Sartina Adama Faye

donc bi ma ñëwee buñ ma xatalon tamit damay wax damay xam sama bopp xam ne ni dañ maa yónni waaye dañ maa yaatal nag te ñu pare pour liggéey ànd ensemble liggéey pour la victoire du président au premier tour pour les élections. Je suis le responsable du Parti socialiste à Euh, merci. Euh, je pense qu'il faut dire que ce choix a été fait à l'issue d'un long processus qui nous a permis de mener des négociations d'abord avec les jeunes, toute frange confondue, c'est-à-dire toute sensibilité confondue. avec l'ensemble des jeunes de Grand Yoff de Beno bokyaka nous avons pu avoir un consensus et mettre en place une commission jeune consensuelle. À la suite de cela, nous avons également mis en place une autre commission pour les jeunes filles qui est également consensuelle. Nous avons mené également des négociations pour regrouper l'ensemble des sages émanant des partis politiques et des mouvements. Et l'ensemble des sages émanant de ces partis politiques ont pu également mettre en place une commission. Et c'est valable également pour les femmes. Donc c'est à la suite de l'ensemble de ces concertations que nous avons voulu faire cette déclaration-là pour montrer que Grand Yoff est unie derrière le président Macky Sall et que l'ensemble des franges de la population de Grand Yor, jeunes femmes, jeunes filles, sages, tout le monde est derrière le président Macky Sall. Euh, on a voulu l'unité au niveau de la coordination euh, du comité électoral. On a pu avoir cette unité-là malgré les difficultés. Euh, c'est inhérent à toutes les coalitions. C'est pourquoi solennellement, nous lançons cet appel-là pour ramener tout le monde, n'est-ce pas, à la raison parce qu'il y a une seule personne qui doit gagner au soir du 24 février et c'est le président Macky Sall. Personne d'entre nous ne gagnera et nous devons travailler tous dans l'unité pour que le président Macky Sall sorte vainqueur de ces élections au soir du calme et à la sérénité. Parce que ce pays nous appartient. Nous n'avons pas du tout envie de brûler notre pays. Donc tout ce que nous demandons à nos militants, c'est de rester disciplinés, d'aller récupérer leur carte électorale de mener la campagne à domicile et au 24 février d'aller aux urnes pour voter pour le président Macky Mais le seul appel, c'est vraiment un appel au calme, à la sérénité, pour que demain, tout le Sénégal... Du président du mouvement Diamant de Grayoff. Et je parle au nom des 37 mouvements de la commune de Grayoff. Après diagnostic, tous les mouvements en majorité on se sont réunis dans le siège de Benoît et ont donné leur aval. Ils sont tous dans le mouvement qui a été mis en branle dès le départ.